bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule le mercato sur 13 TV mbokk yi dal ak ci sen mercato sur 13 TV Ginaaw buñu nekké ci recherche buteur ngi remplacer Julio Tavares mi dem ci Al Fasli di club nek ci Arabie Saoudite Dijon ñu ngi bëgg jënd international sénégalais bi di Famara Diédhiou mi nga xamné mu ngi ci contrat ak Bristol City ba 30 juin 2021 Ginaaw ba mu jaaree ci Clermont ak Angers attaquant sénégalais bi yor na bi nga xamné ne cellule recrutement bu Dijon soxla nañu ko te mom lañ doon wër mom attaquant sénégalais bi nga xam ne dugal na 14 buts saison bi weesu ak Bristol mom la war Dijon def seen priorité gardien sénégalais bi di Edouard Mendy jege na lool dal di dem ca Chelsea niki été bi bu ñu sukkandikoo ci ESPN ñaari parti yi déggoo nañu ci montant au transfert bi war a ci 20 millions d'euros Edouard Mendy en 28 ans moo nar a doon septième recrue bu Chelsea été bile ginnaaw Hakim Ziyech Timo Werner Ben Chilwell Malang Sar, Thiago Silva ak ay attaquant international sénégalais bi am 31 ans di Ibrahima Baldé bàyyeekoon na ci deuxième division bu Espagne ngir dem ci Turquie dina dem ci club turc bi di Giresunspor nek ci première ligue bu TFF di équivalent au deuxième division bu championnat bi joueur bi nga xam dafa nekkoon ci fin de contrat ak Real Oviedo dina tenter benen challenge ci Turquie ancien joueur olympique lyonnais bu Chelsea ak Madrid michael Essien am 37 ans musul wax ne tekki na ay di retraité waye dafa melne lolou lay nduru nga niki été bi dafa Libron, ginaaw ba mu ci club bi di FK Sabay milieu défensif ghanéen bi tabu nañu ko adjoint bu Peterson, Petersen ca Noord-Jylland Danemark mu entraîneur adjoint ginaaw ba mu Nantes ak 3 France Adama Niane jotoon na dem it Belgique malien bi jotoon na dem it Charleroi atum 2018 waaye dañu ko abaloon saison bi weesu ca Ostende ginnaaw bu mu dellusee ca Charleroi moom mi fekk baax ca Bamako ca Mali bu moyal du fa des mënu sukkandikoo suñuy xibaar club belge bi noppi na ngir bàyyi ko mu dem moom Adama Niane bëri na ay équipe yu nekk ca France yoo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel mbokk na ca Caen Sochaux wala Auxerre Aucun accord de prolongation de contrat n'a pour le moment été trouvé entre les représentants de David Alaba et la direction de son club, le Bayern Munich, annonce Bild. D'après le média allemand, David Alaba demanderait alors un transfert dès le mercato actuel pour que son club touche une indemnité. Courtisé par plusieurs cadors italiens et européens, Sandro Tonali va s'engager ce mercredi avec l'AC Milan. Le jeune milieu de terrain a publié une photo de lui enfant avec le maillot des Nerazzurri sur les réseaux sociaux. Selon la Gazzetta dello Sport, il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer son contrat. L'Atalanta Bergame vient d'officialiser l'arrivée de Cristiano Piccini. Le défenseur âgé de 27 ans arrive au FC Valence sous la forme d'un prêt avec euh, option d'achat. Selon les informations de Sky Italia, Cyprian Tatarusanu est attendu à Milan pour s'engager en faveur des Rossoneri. Le média italien ne précise pas les modalités de l'accord entre l'OL et l'AC Milan, mais ajoute que le gardien devrait paraffer un contrat de 3 ans. Selon nos informations, Tatarusanu devrait devrait d'ailleurs émerger à hauteur d'1,5 million d'euros net par saison. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne souhaite pas débourser plus de 15 millions d'euros pour acquérir le défenseur de Manchester City, Eric Garcia, mais le club anglais en attend au moins 25 pour joueur de 19 ans, néo-international espagnol, formé au Barça. Garcia a quitté le club en 2017 pour rejoindre Manchester City. Revenu de son prêt au Lokomotiv Moscou, Joao Mario ne fait toujours pas partie des plans d'Antonio Conte, souvent annoncé à l'OM, le milieu de terrain portugais des l'Inter Milan est aujourd'hui au cœur d'une bataille espagnole entre Valence et Betis selon record. Lié au Nerazzurri jusqu'en 2022, le Portugais serait toutefois plus proche des Andalous. Memphis Depay veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone cet été. L'attaquant néerlandais de l'OL est bel et bien séduit par le projet du FC Barcelone où il retrouverait Ronald Koeman qu'il a connu avec la sélection néerlandaise. Mundo Deportivo explique à l'attaquant en fin de contrat dans un an et qui ne souhaite pas prolonger force pour rejoindre la Catalogne. La Juve Barça négocie actuellement pour le transfert de Luis Suarez, alors que le club italien espérait récupérer le joueur libre. Il devra bien payer une somme raisonnable au Barça, comme le rapporte Sport. Les deux clubs discutent autour d'une indemnité de transfert qui pourrait ressembler au montage réalisé par les FC Séville pour Ivan Rakitic, 1,5 million d'euros de transfert en fixe et des bonus difficilement atteignables pouvant faire grimper le prix à 10 millions d'euros. C'est chaud entre Fulham et Areola. Selon nos informations, les choses ont très bien avancé ces dernières heures et l'international tricolore est tout proche de s'engager avec le club promu en première ligue. Les cotégeuses recherchaient activement un gardien pour sa saison de première ligue et ils ciblaient un gardien de niveau international âgé de moins de 28 ans. Selon le journaliste de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Loel aurait un œil sur le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta, âgé de 23 ans. Selon la Gazeta, le club serait même prêt à proposer 20 millions d'euros pour celui qui a disputé 27 matchs avec l'AC Milan cette saison. ñu jeexale ak bonus sport 18 jours ginnaaw ba mu joué finale Ligue des champions ak Bayern Munich mi ko mujj club bu capital bu France bi di Paris Saint-Germain dina tàmbali saison 2020 2021 ci Ligue 1 ak déplacement am ca Lens mu doon début de saison boo xam ne bëri na ay polémique naka noonu it ay test positif yoo xam ne yenn ci joueurs parisiens yi amee nañu ko mu di coronavirus mu di Neymar Navas Di Maria Paredes Icardi Marquinhos ak Mbappé ñi nga xam ne ñu bokk ci match boobu seen digg ak mardi soir soir amoon na beneen soirée Ligue des Nations ca Europe lu mooy équipe de France mi nga xam ne dafa daan Croatie 4-2 Portugal moom it da doon joué ak Suède Cristiano Ronaldo dugal ba tax Portugal daan Suède 2-0 ci groupe de bi Danemark ak Angleterre dañoo témboo kenn dugalu sa morom dara Belgique moom dafa làpp Islande 5-1 Batshuayi dugal ab doublé Sadio Mané rateeti na occasion ngir doon footballeur bi gën a xarañ ci at mi ca Premier League trophée bi jébal Manchester City Mom, Belgique, l'association, la Premier League anglaise dans le tableau Diabolco, jébbal ko trophée bi madame monsieur c'était tout pour ce mercato sur Trace TV merci de l'avoir suivi rendez-vous demain pour un nouveau numéro